auditrice auditrices et auditeurs du studio Kalangou, bonjour à vous. Ravi de vous retrouver pour le troisième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous sommes mercredi 27 novembre 2024. Merci d'être avec nous. Où que vous soyez, vous nous écoutez via nos radios partenaires et en streaming sur le 3W. Au micro, je suis Salamot Kadri et je suis en compagnie de Mariam Adé. Bonjour Mariam. Bonjour Salim, comment tu vas Je vais super bien. Nous tenons également à adresser nos chaleureuses salutations à nos collègues qui œuvrent dans l'ombre. À la technique, c'est Lawali Issa. À l'édition, nous avons Adam Dawaki. Alors Mariam, quel est le menu du jour Salamot, aujourd'hui nous allons servir du lourd à nos fidèles auditeurs. Tout commence par un flash d'informations pour vous tenir au courant, chers auditeurs, des événements récents. Ensuite, nous allons allons vous faire voyager dans les quatre coins du Niger dans un cocktail musical époustouflant mettant à l'honneur la musique nigérienne. La session du loti avec les Dex femmes du studio Kalangu sera là. Nous aurons également les sports avec notre chroniqueur du jour et tout agrémenté par la culture linguistique. Aujourd'hui, dans ce menu, Mariam, dans la partie entretien du jour, nous aurons Kala Soumela inspecteur départemental de l'enseignement préscolaire et primaire de Tandou. Il nous parlera du début de la rentrée scolaire dans cette localité pour le cours des régions, nous irons à Burnunkoni, région de Tawa, pour parler de la culture de contre-saison. Nous allons clore cette édition avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Vous êtes assurés de passer un moment inoubliable en notre compagnie. Chers auditeurs, on débute euh, cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté par Mokhtar Hamad. Bonjour Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, euh, Mariam. Bonjour Salamatou. Nous débutons le flash d'information avec l'agenda de la primature le Premier ministre, euh, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a rencontré hier 26 euh, novembre une délégation de la plateforme paysanne euh, du Niger conduite par son président Jibo Bagna. Il a indiqué à sa sortie d'audience que son organisation est venue présenter au Premier ministre le programme du forum sur la politique foncière qu'elle organise du 28 au 30 novembre à Dosso. Le forum regroupera les autorités régionales, départementales, communales, la chefferie traditionnelle, les services techniques, les organisations des producteurs, notamment les éleveurs, agriculteurs, pêcheurs, pour une vision commune et profonde. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé hier mardi 26 novembre que le Niger devrait enregistrer une croissance économique de 8,8% d'ici la fin de l'année 2024 et prévoit une poursuite de cette dynamique avec une croissance estimée à 7,9% en 2025. Cette prévision optimiste a été confirmée par l'administrateur du Niger au du FMI Ouattara Ouattabuna à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre Ali Mohamed Laminzen. Le FMI réaffirme son soutien continu au Niger dans ses efforts de développement économique et social, saluant les, réformes économiques entreprises par le pays et exprimant sa volonté de continuer à, à accompagner ses projets de développement. Le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagdouma, a présidé hier mardi 26 novembre l'ouverture de la réunion annuelle du comité régional de santé CRS au titre de l'année 2024. Cette activité qui s'inscrit dans le cadre de l'évaluation et de la planification des activités en matière de santé publique marque une étape clé dans la gestion des défis sanitaires sanitaire dans la région. La rencontre a réuni les cadres administratifs euh, du secteur, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs de la société civile impliqués dans le secteur de la santé. C'est tout pour euh, le flash d'information de ce mercredi 27 novembre 2024. Merci Moukhtara, passez une excellente journée. Merci beaucoup. bonne euh, continuation. Merci, bien. bien. tout annoncé en début de l'émission. Dans la partie entretien, nous allons recevoir Kalas Mela inspecteur départemental de l'enseignement préscolaire de primaire de Tanuta. Il nous parlera du début de l'année scolaire dans cette localité. Mais en avant, Mariam, écoutons d'abord ensemble ce morceau intitulé si du groupe de rap Waswanga.

les pieds sur terre, même si parfois t'es en l'air. Ma voix, Jimmy par me lève nostalgique, tu vas faire le trompa. Ma prospérer la guerre, de par le nerf de la guerre, Satan désormais accompli sur terre. Sur sa tête, je balance verres. ma colère, une tonne de pierre, vénère par le nerf de la guerre. Pour ce nécessaire. Sans je me préfère qu'avec un savoir quoi faire. Des gangsters s'ingèrent dans nos affaires bergère Au détriment de nous autres, acteurs misères. Quotidienne galère à bout de nerfs. On devient de plus en plus amer. Use du microphone, use, use du microphone. Comme d'un revolver. On exagère peut-être, mais le monde est ouf. Si bien que tout nous exaspère. What's wrong with the Like this, like that, you know, you What's wrong with the, si est un titre puissant de l'ancien groupe de rap nigérien Waswang qui véhicule un message de gratitude et de résilience à travers cette chanson. Le groupe rappelle que la richesse matérielle n'est pas la seule source de bonheur. Tant qu'on a la santé, on peut avancer et construire. Le message invite à se contenter de ce qu'on a et à toujours remercier le bon Dieu, quelles que soient les difficultés. Avec un mélange de paroles inspirantes et de rythmes captivants, Si reste un classique qui, qui trouve encore écho dans le cœur

Kina kulka chaka taka liko kora masara Nyais kulgane stupjeri Sampon gwamba jeri ginin ganye ze kuliyeri Jalamanti zakiga hampa kanna hampa sakwari Ga hambani ba à Bavary. Là, je ne fais pas le bonheur, même si il y contribue. Mais si dans la vie, mais pas tout prix. Je lutte avec mon possi pour atteindre mon objectif. Je dis des choses, je t'invite à être attentif. Ton de la hiya arsekine, lâche kune kaji, we komi ya zamputi, ko da anci ba mu aiki. un balle na fari, alhamdulillah kota tap mu Allah ya bam la ya de mu laya da ilimi kakin kuɗi. Wasu ganin si, c'était là les titres si » tout en espérant que vous avez aimé. En tout cas, Salam, tu as aimé toi. Ah, bien sûr. à présent, c'est le moment pour nous d'écouter. L'entretien avec l'ASMELA accordé à Moussa Hassan. Dans la première partie, l'inspecteur départemental de l'enseignement préscolaire et primaire de Tanout nous parle du début de cette année scolaire avec la rentrée qui s'est déroulée le 28 octobre. Selon l'inspecteur Kalla Soumeila, malgré les désagréments causés par les pluies exceptionnels exceptionnelles de cette année, cette rentrée a été effective dans tout le département. Il est au micro de notre envoyé spécial Moussa Hassan. Comme partout ailleurs au Niger, Ici, à Tanout, la rentrée scolaire 2024-2028 s'est déroulée le lundi 28 octobre 2024 à travers euh, un lancement officiel au niveau de l'école quartier de Tanout où euh, le préfet de Tanout accompagné de l'administrateur délégué, des différents responsables départementaux, des différents acteurs de l'éducation a lancé cette rentrée scolaire avec des messages très forts axés sur l'engagement du gouvernement sur le soutien à l'éducation, car c'est la priorité pour le gouvernement. Donc, euh, j'aimerais parler ici des dispositions qui ont été prises. D'abord, il y avait, vous le savez très bien, suite aux pluies diluviennes qui ont entraîné des inondations et qui ont endommagé des infrastructures scolaires et du coup aussi l'occupation des classes par des sinistrés le ministère de l'Éducation nationale a reporté la rentrée scolaire. Donc, euh, par rapport à cela, ici localement, les autorités accompagnées de différents services de l'éducation ont initié une mission d'évaluation de cette situation qui nous a amené dans plusieurs écoles pour évaluer la situation des classes endommagées et des classes occupées. On a profité aussi pour sensibiliser les sinistrés à pouvoir libérer les classes dans le meilleur délai au délai du 21 octobre 2024, soit une semaine avant la rentrée. Nous nous réjouissons en tout cas de l'impact de cette mission, tant dans l'appréciation de visu, comme on l'a dit, des dégâts qui ont été arrestés au niveau des classes, qu'au niveau des attitudes des sinistrés qui ont coopéré et qui ont eh, pris l'engagement et qui ont d'ailleurs eh, respecté leur engagement à libérer les classes une semaine avant la rentrée. Donc, euh, d'autre part, il y a eu des réunions au niveau de la direction régionale avec les inspecteurs régionaux, des réunions localement ici, dans le des réunions des directeurs d'école, des entretiens avec les autorités et les différentes catégories de partenaires, les parents d'élèves, les associations, même les syndicats, pour pouvoir mobiliser l'ensemble des partenaires de l'école afin de faire une rentrée réussie. Et Alhamdulillah, nous nous réjouissons quand même du résultat de cette mobilisation. La rentrée a été effective, si bien même qu'il eh, y a des séquelles de la saison que vous avez constaté de vous-même qu'on a suivi, eh, mais quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été déployés. Il faut aussi noter dans les préparatifs, outre les dispositions administratives qui ont été prises, par exemple l'affectation ou la mutation des enseignants avant la rentrée, l'acheminement des enseignants. nous avons reçu des fournitures scolaires. bon, ça, c'est un, un, kit supplémentaire de l'UNICEF. Mais les fournitures de l'État sont au niveau de la direction régionale depuis une semaine avant la rentrée. Nous les espérons dans les jours euh, à venir. Et cela permettrait un démarrage effectif des activités de cours notamment. Nous avons également, il faut le mentionner, euh, reçu, d'ailleurs pour, c'est pour la première fois que l'État intervient directement dans euh, l'appui à la confection des classes payotes, appui aux communautés pour confectionner des classes payotes compte tenu de la situation que vous connaissez. Il y a urgence de mettre euh, sur place ces classes payotes là pour permettre au niveau de certain école qui avait surtout perdu beaucoup de classes en matériaux précaires. Donc nous avons reçu pour le département de Tanout, d'abord un premier appui de 1,5 million de la part de l'État qui, correspond à 38 classes qu'on a réparties entre les communes et les différents ordres d'enseignement. Ensuite, il y a un deuxième appui aussi qui correspond à 22 classes ici dans la commune de Tanout et c'est là, je pense que c'est un geste extrêmement important de la part de l'État et qui motive davantage la communauté, les acteurs à pouvoir mettre en état les infrastructures scolaires qui ont été endommagées suite aux pluies diluviennes. Donc, euh, ce qu'il faut encore retenir, c'est cette mobilisation, en tout cas de la part de tous les acteurs, pour accélérer et soutenir euh, cette rentrée scolaire-là. Avant de poursuivre, chers auditeurs, marquant une pause musicale pour écouter la deuxième chanson de notre sélection musicale. C'est parti avec le titre Irsiba du groupe Gyoting. Ce qui signifie On ne veut pas en langue germane » est un titre engagé du groupe Guillotine qui dénonce avec force la pratique du mariage forcé des petites filles au Niger. À travers des paroles qui percutantes, le groupe rejette cette tradition oppressive et appelle à une prise de conscience collective pour protéger les droits des jeunes filles. Le morceau est un cri de révolte contre les injustices sociales par des rythmes puissants et une voix résolue voit est plus qu'une chanson, c'est un appel à l'action et un plaidoyer pour la liberté et l'émancipation de jeunes filles dans la société nigérienne. Chers auditeurs, c'était là le morceau Irsiba du groupe Guillotine. Poursuivons avec la seconde partie de notre entretien du jour. Et dans cette seconde partie, l'inspecteur départemental de l'enseignement préscolaire et primaire de Tanouta s'est apaisanté sur l'impact positif qu'aura cette campagne agricole prometteuse et les bonnes récoltes qui s'annoncent permettront selon lui de fixer les familles, favorisant ainsi une fréquentation régulière des élèves, voire une augmentation de l'effectif. L'inspecteur Akalla Soumeila est toujours au micro de Moussa Hassan. J'aimerais parler de, l'impact aujourd'hui de la saison et l'impact positif de, de cette saison qui s'annonce Excédentaire, Vous avez constaté, partout, des merci. Il y a certes des, dégâts ou, des classes endommagées, mais la saison qui s'annonce excédentaire permettra sans doute une bonne fréquentation scolaire. Elle permettra également de réduire les abandons scolaires. Vous savez que quand la saison est, est déficitaire, il y a l'exode, particulièrement dans nos zones dans nos zones euh, sédentaires comme dans les zones nomades, il y a euh, les déplacements quelquefois de communautés, souvent des élèves eux-mêmes, et ça, ça eh, complique la fréquentation scolaire et ça entraîne souvent même des abandons scolaires. Nous pensons que cette année, nous aurons une année stable en matière de fréquentation scolaire, compte tenu en tout cas de, la disponibilité des de fourrage et aussi de l'alimentation. Dans le même sens, euh, comme euh, présentement les travaux des champs nous ne sommes pas encore terminés. Est-ce que cela ne va pas impacter la fréquentation des élèves Oui, certainement. Certainement. Vous savez, la particularité du Damargou aussi, il faut le mentionner. Le Damargou, c'est une zone où même la libération des Challah, elle est tardive, elle peut aller souvent jusqu'à fin janvier. Du fait ici que la saison, avec euh, l'installation de la saison de l'hiver, comme on dit, elle peut être prolongée. Les champs sont encore verts donc euh, il sera difficile euh, pour certains, d'abord, quelque peu même la libération des enfants, il faut des sensibilisations pour que les parents libèrent même les, élèves. élèves. sont souvent un peu utilisés dans les travaux champêtres, mais également tant que les, les cultures sont encore en état, donc euh, ça peut un peu retarder ou impacter quand même euh, mais ça n'empêche pas le démarrage du cours. Nous, nous avons dû, euh, nous avons expliqué aux collègues que même sous un arbre, on peut démarrer le cours en attendant les conditions idoines pour travailler. Euh, l'avantage ici dans le département de Tanout, c'est que la population maintenant, elle est favorable à la scolarisation. Donc tous les messages que nous passons depuis les, grands forages des années 2020-2021, en tout cas, un impact en matière de scolarisation. Les zones même qui étaient un peu réticentes par rapport à la scolarisation, aujourd'hui sont en train, en tout cas, de scolariser davantage, d'inscrire massivement les enfants dans les écoles. Pour la preuve, j'ai ici quelques chiffres que je peux vous communiquer globalement. Pour cette rentrée scolaire, nous avons 74 286 élèves, tous secteurs confondus, primaire ou secondaire, et qui touche l'ensemble des cinq communes du département de Tanout. Parmi ces 74 286 élèves, vous avez 37 964 filles, soit un pourcentage de 51% par rapport aux garçons qui sont à 49%. Donc nous sommes presque à la parité et d'ailleurs les filles sont en train de prendre une ascendance sur les garçons. Cela dénote en tout cas du degré d'adhésion de la communauté, puisqu'il y a quelques années, on s'est battu pour inscrire les filles. Alors aujourd'hui, nous avons un certain seuil d'adhésion par rapport à la scolarisation et à la parité dans l'inscription à l'école. Nous pensons que ça, c'est un atout. Et partant de cela, toutes les sensibilisations à l'endroit de communauté peuvent contribuer à scolariser davantage. L'année passée, nous étions à 72 000 et quelques élèves. Cette année, nous sommes à 74 000. Ça veut dire qu'on a un bond de 2 000 élèves et il y a un progrès sensible dans la scolarisation des enfants. Espérez-vous que ces enfants, notamment les filles, vont continuer leurs études jusqu'au supérieur, voire à, l'université Ah oui, nous avons espoir, puisqu'il y a des moments où, par exemple, pour l'école primaire, il n'y a pas de problème. C'est surtout à partir du secondaire, il y a quelques difficultés. Quand les années ne sont pas bonnes, souvent même il y a des problèmes de tuteurs, etc., certains problèmes. Mais cette année, je pense que nous avons espoir que les filles qui sont inscrites et les filles qui sont à l'école vont continuer leur cursus jusqu'au troisième cycle et parvenir à terminer les études, en tout cas avec engagement. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est le moment de votre rubrique hebdomadaire. Nous sommes mercredi et nous allons parler environnement. Oui, c'est la moto et la rubrique environnement d'aujourd'hui nous parle de l'empoisonnement de la mare de Madarumfa dans la région de Maradi avec de nouvelles variétés de poissons. En effet, cette année, dans la région de Maradi, c'est la mare Madarumfa qui a été choisie pour l'empoisonnement. C'est dans le cadre de l'empoisonnement des mares qui a eu lieu chaque année au Niger. Diverses espèces de poissons ont été introduites dans cette mare de Madarumfa au grand bonheur des populations environnantes. Des détails avec Ilyassou Moussa, le directeur départemental de l'environnement de Madarumfa, joint au téléphone par Omar Hama. bakwai ga watan Nuwamba da ya huce an yi bikin watsa irin kihi a cikin tafuka gaba ɗaya a Nijar. To sai an yi shi a cikin jihar maraɗi ko nan jihar maraɗi sai an ka yi shi a Madarufa na inda muke da tafkin na Madarufa mai ɗimbin tarihi. Za ku gaya mana ko irin kifi nawa aka watsa a wannan tafkin Madarufa da kuma adadin kifin baki ɗaya? to an sa irara da dama na kihi iri kashi shida an kasa waɗannan irara sun shahi bakin kihi an sa dubu uku e, karp an sa wanda suka ce mabuku an sa dubu takwas an sa gawo ɗari uku an sa du ɗari biyu an sa lalu ɗari uku an sa kaftan ɗaɗari a jimilce dai an sa irin kihi kashi kashi kashi shida kuma an sa ɗan kihi dubu goma sha ɗaya da ɗari tara. menene ne muhimmancin wannan aiki na watsa kifi a cikin tarki? Wannan aikin shi na da muhimmanci sosai sabili da zai warhaɗowa da ira iri-iri da akwai na kihi a cikin wannan tafki zai ƙara mishi kima zai ƙara mishi ƙarfi wajen yin hiddo irin na kihi za a samu kihi sosai don ka kuma ana samun kihi in Allah da za a samu ci gaba makama kihi za su samu alheri za su samu kuɗi sosai za a samu alheri za a yaƙi da talauci za a yaƙi da da yunwa tunda kihi abinci ne za a yaƙi da malnutrition duka to wannan aiki da shida da mahimmanci a ci gaba ga rayuwar mu ta yau da kullum al'ummomin garuruwa nawa za su amfana da wannan kifi da ke cikin tafkin madarunfa. duka kewaye da wannan tabki gari shida akwai kuma waɗannan garuruwa dukansu makamaki ne a kewaye kenan wannan aiki shina da muhimmanci bisa kai ga kyautatawa bisa kai ga gyara rayuwar ɗan adam ta yau da eh, yau da kullum da ci gabanmu gaba ɗaya na gode Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire réalisée par Omar Hammar, rendue au studio par Asumana China. Mariam, prenons encore une pause musicale avec ce titre à du groupe d démocrates. Pour toute la vie, je te garderai au fond de moi. Tu es parti me laisser sans un mot. J'aurais voulu que tu me dises mes défauts. Depuis que t'es parti, personne pour me consoler. Baby, I'm dilly, quand comme il À jamais, baby, pour toujours, je t'aimerai forever. de toi. Toute ma vie, je pourrais plus rester sans toi. Tiens, voilà mon cœur, baby, prends-en soin. the Zari I sing a dirby, baby, they Give me a love, baby, je l'aime et je l'avoue. 97-07, beaucoup d'années sont écoulées. En souvenir du passé, j'ai compris que les temps ont changé. L'amour subit des choses auxquelles on ne peut résister. Le combat pour l'amour crée beaucoup de régions dans la tête. Souvent dispersées, souvent plus cassées Des moments arriveront que ta propre tête refuse de penser. Tellement dépassé de la conduite de celle à qui tu dis ta chérie. Rien ne vaut la vie, surtout quand elle est mal partie. J'aurais voulu me contrôler, mais mon acte réflexe est plus fort que mon mental. J'ai beaucoup de choses à dévoiler, j'ai pris Dieu juste pour un instant. L'amour peut s'envoler, mais l'habitude nous unira. Reviens nous compléter, démocrate a besoin de toi c'est pour toi. À jamais, chers auditeurs, un titre émouvant du groupe Adi démocrate. Ces titres capture la douleur et la persistance des souvenirs d'un amour perdu à travers deux paroles profondes et mélodieuses. Le groupe exprime l'incapacité d'oublier une bien-aimée partie sans explication. Ce morceau reflète la force des émotions humaines entre amour, tristesse et nostalgie. En tout cas, Mariam, le message est clair. Certains souvenirs restent aggravés à jamais et continuer à me dire toutes ces bagatelles. Tu croyais que je ne savais pas ce que tu lui faisais. Pendant tu me criait déçu, elle, tu la cajolais. J'étais seulement celle qui était là pour amuser ta galerie. Alors que tu savais que je ne méritais pas ton mépris. Ah, jamais, baby. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre à jamais de 10 démocrates, Rasgaz et Safia. Place à présent à la rubrique Éco des régions. Oui, cela tout le reportage à région de ce jour nous amène à Tawa, précisément à Konni, pour parler sur la culture de contre-saison. Actuellement, à birnin koni la campagne de contre-saison est lancée sur le périmètre irrigué. L'année dernière, les producteurs ont rencontré des difficultés en raison des manques d'eau d'irrigation. Suite à ces problèmes d'eau, cette année, les responsables agricoles ont mis en place plusieurs mesures pour éviter ces problèmes. El Haji Moussa Mahamman, président des agriculteurs, expliqua dans ce reportage réalisé par Asmana Moussa a yanzu haka manoma a cikin gundumar birnin kwanne da ke cikin jihar tattawa su mai da hankali a kan shirye-shiryen gudanar da ayyuka na noman rani na shekara ta bana a cikin gandari na birnin kwanne sai dai manoma na tuni dangance da irin matsalolin da suka sha fama a shekara ta bara na karamcin ruwa domin gudanar da ayyukan nasu na noman rani yadda ya kamata shine yasa manoman kira ga shugabanni a ma'aikatar da ke kula da harkar ruwa na gandari na birnin kwanne rahotanni don ganin cewa ta kula da wannan matsalar ka a koma gidan jiya noman goje kamar yadda za ku ji ta bakin waɗansu da na hiranta da su game da wannan matsalar. Wato na ji daɗin da kai wa tambaya to mu manoman rani na bana abin da muka fata ubangiji Allah sa ya kai lahiya kuma na fata an ta da na ruwa an tsaya an natsu an auna duk abin da an kaba mutane a tabbata aikin nan zai kai lahiya saboda ba aikin fara shi ba karshen shi muke tsoro to bara mun sha tun da an yi bara kaga dawa ba su su ci nasara ba to ba mu Allah ya nananta mana wannan shekara muna fatan bana ta to da alheri to har yanzu dai muna kira su masu ruwan nan su auna su tabbata abin da an ka bada zai kai ba a kai ba a bude aiki a ga akwai ruwa akwai ruwan sai an dau aiki mai yawa kuma zan bai kai labari ba kina a tsaya a natsu a bada aiki yadda ya kamata daidai dan madaidaici a samu ruwan nan su kai ga doki aiki ma daidai an dokai kuma ya zamanta ruwan ba su kai karshe ba yadda aka bukata kaga ba mu wata haka kuma eh to abin da muke wata ubangiji Allah ya sa in an kai wanga aiki shi kai noman rani mu jihar kwanni bana muna tunanin gaskiya gwargwado insha Allah za a ci nasara bisa ga bara kan lura bara babu horwa ruwan ba su isa aiki mutane suka shiga aiki duk al'amari ya to ya lalace ga abu zai kai ana ganin zai kai ruwa suka kare to amma kaga bana gwargwado tabki ko wani aka tamani ko wani ya cika hanyo ambaliya har mu ja tattawo ko bana abu na kira ga su magabata ma'aikatan wannan gandari ya kama. kamata su nazarta da abi ta mutane a ɗibi aiki mai yawa ya kamata a ta a gai daidai da ya kamata a yi Allah su muna fata a ƙari lahiya daidai bana dai muna tamanin da insha Allah rabbi dai kwassa dai kassa dai kayan dai gona dai na wannan noma rani muna sa tamanin insha Allah rabbi al'amari za a ci nasara da yarda Allah watan mu dai mun kan ganin damuna lahiya Allah guda mun shi ma mun ƙare shi lahiya nan ga na rani alhin da mun ka samu cikin wanga na noman damuna shi ma mu same shi mu hida haka ba Ala ka ga ikoki akwai matsalar ruwa gaskiya lalle muna fata kwarai su masu kula da ruwan nan ya kamata sakan masu noma shi mm, su unhan da shi ba sai su rasu kwata shi da su da mutum zo sa abinci ba a sako ruwan ba zan abinci ne lalace in kuma sassan ruwan kaɗan na su kiyasta abin da ikokin da za su ɗauka. ko ne mataki ne shugabanni a ma'aikatar manoman gandari cewa da cooperative suka ɗauka a kan waɗannan matsaloli na manoma waɗanda suka sha fama da su a shekarar ta bara alasha mu musa bamma jagora na kungiyar manoman gaddari na birnin kwanne ya yi muna karin haske a kan wannan zance ga bayanin da yake a yanzu haka noman rani kan yanzu ka in ka ma shiga dashi kana iske gadan gadan mutane suna nan kowa ganin kai daga mai saka haki mai hongalle mai gyara da daka ta yi jijan hankalin da ga mutane duka dan an ci maka an yi ruwa isa shi ga shekara to bakin abin da an ka ba kowa ya kamata mutane su tsaya baki aikin nan ai roƙon Allah a fara shi lahiya a kai ƙarshe ne aiki ya soma ruwa ka san shekara ta bana akwai ruwa sai dai ka san shi matarin nan din da an ka samu matsalar rere ya ci ƙarshen su amma dai ruwa don da duka matarin nan biyu ko wani dai ciki shike da ruwa don da shi cira sa kamar wuri na wanda aka sa komai na aka a cika shi ba ɗaya da bara ba ko kusa kusa a bana ma gama bara da bana ba ɗaya ba ne eh, kamar tar dubu uku wajen hektar dubu biyu da ɗari hudu da hamsin da shida ka san ɗauke su ga aikin rani akwai aiki ɗiba na aka yi gwargwado abin da an ka yi wa don da shi ka san aikin rani a da su a ce kowa ya gama bai haga sauran ruwa shi a daɗin aikin rani to ka san matakan da ake ɗauka ka san yanzu ko ne zuku ana aka ce mai doki kaza kowa ya ɗibi rubu'i rubu'i ko ko ha ɗibi rabin eka kenan bakin dai abin da an ka ce kowa ya ɗiba to ya kamata manoma su tsaya bakin nan a nemi albarka ga abu ya a shi daji mai yawa daga baya mutane su koma ana wayo wayo kaina eh ko shi ka san ita insha Allah duk abin da ka ga damana ta taho da kyau to ko rani sai ya ta da kyau Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport avec notre chroniqueur Adam Sariou. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou, bonjour Mariam. Bonjour Adam. Adam, quelles sont les nouvelles sportives de ce matin Eh bien, nous allons parler de la Super League de football du Niger qui, je le rappelle, en joue la quatrième journée avec les résultats de deux matchs avancés, à savoir l'Union sportive de la Gendarmerie nationale qui s'était imposée sur le score de 1 but à 0 face à l'Urana FC d'Arlit et l'AS Nigelek qui a battu l'AS Université Abdou de Niamey sur le score de 2 buts à 0. Aujourd'hui, on aura trois matchs au programme de cette quatrième journée. L'AS Douane contre le GS Tawa, l'Espoir FC de Zender contre l'AS Garde Nationale et l'Olympique FC contre le Wambé AC de Maradi. Adam, avant la fin de cette euh, quatrième journée, tu peux nous donner le classement du championnat Bien sûr, après quatre journées, nous avons un classement très serré avec trois équipes en tête avec sept points chacune, à savoir l'AS Nigelec, euh, l'Union sportive de la Gendarmerie nationale et l'AS Fan. En bas de tableau, nous avons l'AS Police qui a un point et l'Université Abdou Moumouni qui a zéro point. Pour finir, Adam, parlons d'un arrêt du ministère de l'Éducation sur la pratique du sport dans les écoles. Eh bien, il s'agit là de la pratique du football dans les écoles qui est désormais obligatoire pour tous les élèves âgés de moins de 14 ans. Selon cet arrêté du ministère, cette pratique du foot se fait soit par animation ou pendant les séances d'éducation physique et sportive. Chers auditeurs, c'est la fin de ce numéro sportif. À demain pour d'autres informations. Merci bien, Adam. Passez une excellente journée. Alors, euh, Salam qui est la star du jour Mariam, le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte d'une jeune étudiante entrepreneur à Niamey du nom de Farida Idrissa Aboubakar, promotrice de Farida Collection, qui nous parle de son métier au micro de Mariam À Âgée de 28 ans, Farida Idrissa Aboubakar est plus connue sous le nom de la marquise. Grâce à son passage à Sira, les podiums en tant que mannequin, elle est commerciale et communicatrice de formation, mais par passion pour la mode, elle décide de se lancer dans la création et le stylisme. Aujourd'hui, elle essaie à travers son habillement d'imposer sa marque aux jeunes filles nigériennes, sa marque Farida Collection, un style de couture chic et décent. Elle nous parle de son travail. C'est un métier dans lequel j'ai évolué et que j'aime bien, donc j'ai décidé de prendre mon envol et d'être à mon propre compte. Disons que j'ai été euh, dans le passé mannequin et j'ai décidé de, de, lancer ma propre marque, d'où Farida Collection. Farida Collection, c'est de la mode et de la mode même, c'est de la mode modeste. Donc ce sont des tenues confectionnées euh, et vendues en ligne. Dans la vie, le début de chaque chose n'est pas facile. Farida nous parle des difficultés auxquelles elle fait face dans son métier, surtout dans le domaine de vente en ligne. Et les difficultés, ça va beaucoup plus dans le sens de la vente en ligne la vente en ligne, c'est quelque chose qui n'est pas encore adopté par notre communauté. Donc jusque-là encore, on essaye de s'imposer. C'est un peu difficile, mais ça va de mieux en mieux. Nadia Sita, l'amie intime de Farida, dit être fière du travail qu'a fait son amie. Moi, je suis la, la mieux placée pour vous parler de son travail acharné, de son activité, parce que je suis celle qui la voit se priver de beaucoup de choses, se priver de sa santé, même si on veut, pour essayer de mener à bien toutes ses activités, pour essayer de mettre euh, les gens bien, pour essayer de donner la meilleure des qualités, pour euh, pour, vraiment réaliser son rêve. Farida appelle les jeunes femmes à se lancer dans ce qu'elles aiment le plus, de ne pas rester les bras croisés, à toujours tout attendre. Et la prochaine étape de ces investissements serait d'ouvrir une boutique Farida Collection. Voilà, chers auditeurs, allons pour un autre tour en musique avec ce titre Chilling, une collaboration entre l'artiste Barakina, Hakim et Abel Zamani. Ah. Venta d'acteur. Deux cents baisers de chilling. Ana ta yi, ana ta yi. Ana ta yi, ana ta yi. Muna ji, muna kuka hana kai. Tema le feeling, tema le. Tema le killing, tema le. Tema le feeling, tema le bling bling de de cette killing, tema le. Tema le feeling, tema le. mal le killing, mal le mal le feeling, mal le bling bling De deux c'est killing, mal le Salam alaikum Wasu basta son so gan mu sun fi son su gan mu mun jere taya Wasu basta son garin su sun fi son su kawo bako garin mu Su bashi tuwo da nama su kama mata ma ya danne A bashi kudi da mota ya koma tan gidan shi ya zamana Su ci da ɗiyan makwabta su bar 'yan gidan su ma da yunwa et Allah. T'es mal, t'es mal, t'es mal. Niquer le best comme pas parler. Le 24 octobre, on va inhaler. Pas ah. de défilé, ah. on va s'enjailler. T'es mal le feeling, t'es mal. T'es mal le killing, t'es mal. T'es mal le feeling, t'es mal. Le bling bling de cette killing, t'es mal. T'es mal le feeling, t'es mal. T'es mal le killing, t'es mal. T'es mal le feeling, t'es mal. Le bling bling de cette killing, t'es mal. Bibi, papa, il gare mon da an get the money. Get the money. up and down na I keep kuke so I iya beat to all my people kun bada mini so na gode believe it mun za ku shakata ku wala in ku wala mu wala a timbara kina bel zamani 227 killing sample sam vip 227 killing 227 T'es mal le feeling, t'es mal le T'es mal le killing, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le bling bling de de cette killing, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le T'es mal le killing, t'es mal le T'es mal le feeling, t'es mal le bling bling de de cette killing, t'es mal le T'es mal les eh way T'es mal à ce la T'es mal à force Hugo t'es mal le gesteur Ça c'est le gala Toi et ta go tout est galant Forcé, l'ambiance sera bien déversée Succès fou à la son abisso le livre sera hissé, quand tu peux tout trouver dans les vaisseaux. Et la concurrence verra la vaisselle, ça c'est le vénère. Où sont le bison Le 24 de le sort sera brisé. Et tout est pressant, bébé tu connais. 900 cricas dans la chapeau, les 12 que sont dans le viseur. Les gros de 2 c'est la maison, t'as pigé. Anatei, Anatei, Anatei, Anatei. Monaji, Monagani, Anatei, Monagani, Sunatai, Sunatai, Sunatai, Sunatai. a kuka a kai tema le feeling tema le tema le killing tema le tema le feeling tema le blinding de de cette chilling tema le tema le feeling tema le tema le killing tema le tema le feeling tema le bling bling de de cette chilling tema le C'est là le titre Chilling. Passons au loti du jour qui traite de la protection des enfants contre le froid. En effet, cela tous ces derniers temps, on constate une variation de température entre la journée et le soir. Et en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison. N'est-ce pas, Zenob Abdou et Rekia Arimi? <laughs> <laughs> <laughs> dinan no goga digi sabai ga zurumin dora kwai ne mu kwayi sita musi lalle barira fonda kayan jina hum ni di matkan hadanan hanga sandinda. asi asiba kwai da yanno ba yi nora amma to zan ka gaba no kwai beri gorgasin mata no ni te ga san da nisibai kan yeno ga fonda te fulan zamai dorai se hey fulan zamai mu gonda dorino hay kunno borg hey fura dinnan nima hanadin hane mantinin no kaga fa ba keke ga gane ni izo mi na sindibani agoga koto ni dirnyan no aga koron yadin mono ni nai dabu mate no ayi te dirnyan hanadin ga ai mili kan ayi ba ga jan ai izo amma fono kan ni na. doro sanni new doktora manne ni se kan ganda dori lalo kan se igine pneumonia gomi na ga fulan zamai doro ne bai hanadin hane doktora man doro sabilo ce senu a ki nise wala masikinise wadin manhima nimin zankainan imigente manne nise dori zaidin kulu yeni no gate da kwai sakwai ne irkoi beri hei adinan ka ai min yumai ga kwayi dan niga ni masi kwai gijente. hei hin suru manti soho gina ni giyin yi maino da wai na fatta yadin mono nimi dan iga kwayi kan giwa da yeno kwai nemo wa kan igba an gano gati hargu kwayi da fula kan gi bongai dabu yadin mono nimdan ike yi gaso set. Bai ne mu sidirnya, kino radigo girbi nimi dabun da borgo. Wane kul ganan no nimi zan kai wada fulan zamai dorai kan yeno ga kate. Kwai ne mu nisi nyumai watu kulu, a himano nimi nyumai folon girbi hinka kulu wadin wasa. Yadin no boro, bor mi hagoi da doro gaba nimi safar. hino ai sifan da dorai din ma'adanandi, yaddan da ai akwai mo fondo goy gol kisin a to ma aikiro zama wallahi dorai in ngai da kwanda irin hankan ga cika ba Chers auditeurs, vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux. Écoutons quelques-uns à présent. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. sunana abu kwaini tsohon mushan makaranta wanda kenan yana cikin retret yanzu kalangu ina sauraron ta sosai da sosai amma na yi karfi bisa ga information eh labaru hakan ga wani suke bada tunda kana nan mai sai ka samu labarin difa sai ka samu labarin tilaberi sai ka samu labarin agadez ko ina dai suna tabawa wannan abu shine nake alfarmashi gaskiya ina jin daɗin sauraron kalangu tunda abubuwa dama za ka ji wanda ba wajen ku bane amma za ka kula da shi haka ji daɗi kai ma kuma bancin wannan naji suna emission da yawa ba harshe ɗaya ba kenan sai in ce wannan Allah saka musu alheri mutane da yawa suna wayewa albarkacin kalangu. To suna na malama sa'ada abdu nema abuciyar sauraron shi da kyau ma eh, saboda tun daga wajen karhe biyar nan zuwa karhe bakwai labarin da suke ba da na yammacin rana gaskiya bayan su akwai wannan shiri da suke yi na fannin matasa wannan fannin zamantakewar rayuwa hakan ga gaskiya wannan yana ƙayatar da mutane da kyawu bayani bisa kan wani sasarari wani matasa su bar zaman banza kowa ya tashi dogara da kan shi shirye-shiryen su gaskiya yana yi mutane na sauraren su da kyawu wannan labaru da suke ba da gaskiya Allah alhamdulillah shirye-shiryen da suke gabatarwa shirye-shirye ne masu Muhimmanci abin da yasa na ce suna da eh, muhimmanci kamar shirye-shiryen da abubuwan da suka shahi mutanen mu karkara da kuma abubuwan da suka shahi abin da yake nesa gare mu dai abin da yake cikin ƙasa dai in takaice abin da gaskiya studio kalangu babu abubuwan da ba su tabawa abin da ya shahi dai al'amura na rayuwar mu ta yau da kullum abin da nake kallo kamar studio kalangu lalle an ba su lokaci amma ganin ke lokacin nasu yana da kaman kaɗan inda so samu ne a samu lokaci dai wanda kamar da daddare in suna yin eh, shirye-shirye na dare ni ne ali tayar kwarai muna sauraron shirin na studio kalangu saboda shiri ne mai matakan mahimmanci eh, shiri ne wanda ke waye mai 'yan ƙasa kai manya da matasa wannan shiri muna alfahari da shi ma'abuta sauraron shi ne shi dai daga ciki ba kwanan labaran nan saboda shi labari shi ne ke kaiwa ko'ina Eh, abin da ba ka da masaniya kan shi sai ka samu labarin shi. Suna na nana ina sauraron studio Kalangu ina sauraron labarai kala-kala amma wajen labarin yaran nan ka yaran matasa da ke ta digan nan ana wayi kai kware-kware ma ana jan hankalin su. na mai na ari gidan alu ni ma'abucin sauraron studio Kalangu ne tunda da bi sabilillahi sai dai ko in ba ni gida kuram kuma akwai abubuwa da yawa waɗanda nake karuwa ciki. Ko shirin studio Kalangu kai in zana maka fa ni fa ba Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Mariam, passons à présent à la rubrique culture linguistique en Zarma. Ce sera avec euh, Alassane Abdou, rédacteur en chef euh, au studio Kalongo. Le mot de la semaine est violence. Alassane Kanbani. bani samai wala maryama matini kani salamatu matuwar kani hunkuna sannu zunyon wa kan irsu ban ingo lokaci violence kan sigane Zarma, sanniga kabu kun futai Eh, irgowar fondo kan warnir no fondoyer mo kaka boray bon e feeri ar kangati san zo bo asi bor kurse ra kan novembre han a jir boran kicin gwa hazar no kika andu al zumatra ar kangati fitine yo magal dum norse kab kun futa din kanniki zama uh, violence san sanni zino kan ga hai a gaberi amma fondo wone wara de irsi hinkine warse de kala akwai gihi man da waka sigine kaba kun futai zama bore kwa kala sabka dino kan haribo biyan ce har kan gaci eh, wai bore da albari gamara waka sigine jar no ya jar mo man to bodal bor hinne sanino a gingita markason wai bor dal bor albor do wai bor zama kan ne jar ane mo har ga kasu sande ki kata ina da miziga a bahuna fondara amma wani wana wakan gato kaba da kiyan kyarga yanga fata kaba da kiyan kati mu borakar mu yo sandi mu bongo ma mata bandi garbo mu fusu hinye mu keri wai wa kulgi ka barara ya ni gadi kulgi hinka ne warsu kan kun futai lalo no ya dinga fitin lalano no zam dirne fitina wongu fitina no dirne fitina kwari hinka hinka fitina amma wone wo wo kangir go mantakala ina da miz hinka da char gamara aga hinka te mo boriyen kango hura i char gamara sanga kurni ndo wanno aga hinka te armo ndo ma gamara aga hinka te goy fondara halga ka sohon eh al borai do borai char gamara amma kari mo bar borai go kari ngora igin kar bor kari mo yo fusandi way bore mo non kar e gin ka karim hinya keri way bore mo non hinya keri donc way kul sabbu se irgi kire orse kan zari no kika kan iga ba imu gurge de fitin woni yen wodumo kayan sibori fitin woni yen dumo kan mani himanda kabu kun futti woni yen dumo zama ine kabu kun futuwo e gin ka ba bora bongo bogu salamat shi kabu kun futti woni haribo biyanno nigi hinka albana kabu futa nigi bankara kabu mota kabu popora yadno ina da mburgi burgin ka kabu futa amma ina da mizi kabu kun futa ga walbora walbora zama goira Haligil Lakale sambu Har harkukan niga tera nisin da lakkar ka bu kun yan non gumo da ka son violence no zama nisin da wat kan ganga nisin da wat kan gulan zam nisin da wat kan go hongu bonga wani zai ga wani kwarga goyo sabuse gumo da ka son bu kun no wani ta sanni zo kan irka ka tunan boredo hunkuna eh, november han agir boran kacin da marge kin da iye an sargi zan bar ka da warang kacin da tacha Mm, merci, Merci à Alassane et à bientôt. Chers auditeurs, vous avez d'autres mots expressions dont vous souhaitez avoir l'explication en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde. N'hésitez pas à laisser un message ou un vocal écrit au 82 89 89 64. ma ɓay honda haw ya gooro hawino worso cottonda fof no kanni goomu musideji bene a banda manno hasidena koye kaaɓigatenooni sorke heeni yani heenino Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Mariam Adey et moi-même Salamot Kadiri. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. La technique était assurée par Issa Lawali et Adam Adawa qui étaient à l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye. Bye bye.